en français que c'est le jour du, où le Sénégal appelle ses enfants à, renouveler le pacte qu'ils ont avec eux-mêmes et avec le pays, avec la nation. Dire ce qu'ils pensent de la gestion du pays. Et chacun a un sentiment vis-à-vis de ce qui se passe dans le pays et il a une façon de l'exprimer. La façon la plus particulière et la plus forte de l'exprimer, c'est certainement aussi après les rues, après les journaux, après les Warsakhalat, c'est de venir jeter son bulletin dans l'urne certes, il y a huit coalitions, chacun peut trouver à redire, mais il y a certainement parmi les huit coalitions une ou deux ou autres qui emportent la faveur de, chaque citoyen, qu'ils sortent l'exprimer. Je voudrais dire que aujourd'hui, on voit que les choses semblent, pour l'instant, pour l'instant, se dérouler dans, une situation relativement correcte, et on ne peut que s'en féliciter et euh, encourager le processus à se poursuivre. Mais je dois dire, surtout pour les observateurs étrangers qui sont peu au fait de nos mœurs politiques, et qui pourraient conclure de ce processus qui semble normal. Contrairement à beaucoup de pays africains où actuellement, à cet instant, il aurait dû y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de violence, beaucoup Mais les choses semblent tellement relaxes et débonnaires qu'on peut croire qu'on est à une démocratie parfaite. On est loin d'avoir une démocratie parfaite. Beaucoup d'argent a circulé ces derniers jours. Beaucoup de moyens ont été mis sur la table pour pour les gens. pourrait Beaucoup... sur le vote Forcément, ça impacte sur les votes Si vous donnez des titres fonciers à la dernière minute à des gens que vous, dont vous aviez détruit les maisons, menacé le travail de toute une vie, de, toute façon, il y en a qui voteront automatiquement par devoir de reconnaissance pour vous. Ça s'appelle achat de conscience. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est ça que ça s'appelle. Non, non, j'exprime des faits. Je dis simplement que euh, il est impensable et inadmissible en démocratie qu'autant d'argent circule et que dans certains quartiers de Thiès que vous connaissez, que nous connaissons, les gens sont, pour ainsi dire, ont ouvert, pour ainsi dire, des guichets d'achat de conscience en ciblant des personnes précises. Ça, ce n'est pas normal. Mais moi, j'ai confiance à ce que fondamentalement, le peuple sera à long terme, à court ou moyen terme, dire ce qu'il pense de cette situation. de dernier point. Je voudrais aussi dire que Malheureusement, on est dans un pays où les réseaux sociaux ont une influence fondamentale. Les réseaux sociaux, c'est la lâcheté de certains qui se cachent derrière l'anonymat pour inventer contre des données citoyens des choses qu'ils ne pourraient pas dire par les journaux ou qu'ils ne pourraient pas assumer de manière signée. Dire de manière signée que telle ou telle personne a reçu tel ou tel montant, ils ne peuvent pas le dire de manière honnête et claire parce qu'ils ils savent qu'ils feront face à la justice, qu'ils devront répondre de leurs accusations devant la justice. Et ces, gens qui, qui, font de la manipulation, qui font de la contre-vérité, le fond de, le fond de commerce de leur politique, sont malheureusement soutenus par des personnes qui disent que, au prétexte de Sam Dikoyi, que c'est les meilleurs. Il faut quand même que ce, pays-là, on arrête. On arrête des les gens qui sont dans les, dans les, dans, les, prêcheurs, qui sont dans certaines situations, qui veulent nous vendre que les gens qui ont du mensonge, de, de, de, de la, fabulation, de la manipulation, leurs fonds de commerce et leurs leurs forces force nous présenter comme les meilleurs, ça c'est quand même un, un, problème aussi. Et je voudrais donc dire que le moment venu, après ces élections, nous reprendrons les débats. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas seulement de participer aux élections, c'est pas seulement même de gagner. C'est de participer à ce que le Sénégal avance et que toutes les forces, où qu'elles soient tapies, qui participent à saper la conscience des Sénégalais, à miner la démocratie sénégalaise par des pratiques soit d'achat de conscience, soit de manipulation de conscience, que cette euh, force-là soit démasquée. Je vous remercie. ñaari baat ci séeréer. après ma ñëw ci pulaar. da nga ñëw teew bi euh, en direct euh, actuellement nga ñëw rek ci wolof nga tënk ci li nga xam ne moom nga bi nga voté wu pare nga lan nga jox citoyen. waaw dama ni ñu ngi sant yàlla ci ba ñu ñëwee woote ba pare te sant yàlla aussi bañ fi teewee. ñu ñu àndaloon ñëpp ak yeneen coalition yi dégguma ci kenn ku am tolof tolof eh, di ko sant yàlla ndax eh, élection dem campagne lu metti la bëri na amay gaañu gaañu yàlla musa muccal na ci bi yoon ñu ngi ñaan tamit mu demale ko noonu ay yoon yoon dem ñu ñu ñëwoon jógee seen yeneen dëkk ñëw woote yëpp yàlla delloo leen ci jàmm ak salaam ak fu ñu mën a woote ak fu ñu mën a bokk bu loolu wéyee tamit ñu ñu nii que fi ñu gis nii waxtu bi ñu toll te amul lu ñu seetlu loo xam ne lu xaw a mel ni gàllankoor ci vote bi vote bi ci bis bi ñu nekk nii donc donc loolu dañ ci euh, tamit félicité wu di ñaan mu wéyal noonu waaye ku ñëw nag gis ambiance décontracté bi fi nekk nit ñi di waxtaan di di accoladante day jàpp ni Sénégal démocratie bu mag la boo ko seetloo par rapport ak yeneen réew yoo xam ne bu élection jotee paaka yaa ngi génn caas yaa ngi génn waaye donte ne loolu nekk na bu ñu nax suñu bopp nii am na luy xew luy xajamal démocratie bi di ko de conscience xaalis bu bëri boo xam ne circuler tey muy Thiès muy feneen ci réew muy partout surtout monde rural loolu day changer dans élection bi loolu tax code électoral daf ko dàq ngor daf ko dàq diine daf ko dàq moo tax dañ ci war taxaw ci wax ni sénégalais yi Sénégal moo bisum Sénégal la nañu ñu wuy ak comme nu tàq gar yi fanaane fii ci condition yu day waar eh, ci naan tàngaay beeg yooyu mu jaral leen ko parce que seen devoir la ñoo waroon nañu jaral benn waxtu wala ñaar bu ñuy ñëw rang te léegi tey sax xamul rang pratiquement nga ñëw woote. li ci des mooy ñu nekk ci co réseaux sociaux yi nga xam ne lu leen neex wax teg munoo leen xam munoo leen weddi parce que xamoo ñoomee ñoom ñen di sos. bon eh, am sax ñu leen di jàppale dañuy ñoom ñoo fi gën jikko ba ñi nañ leen nañ leen jàppale dama ji donc. lolu dafa nek lo xamne lu doy war la parce que mënoo nek ci réseaux sociaux di sosal ay gor di wax ni ñu ngi cité gor gor gi di rang di jël nangam sangam di ki te fekk dara neew ci te bo jakarlo nak nit ki euh, mu sañoo ko ko parce que xam ngeen dina la yobbu ci yoon dina la def sommation interpellative yobbu la ci yoon lo sañul wax nak nit ki lo sañul signé def sa tourni man diw maa ko wax ak yooyu nek ci réseaux sociaux làqatu foofu lâcheté la tudd euh, lolu tamit warul ñu baye manipuler xelu xalé yi wala di jël question góor jigéen ñi di ko un au Sénégal bu ñu bàyyi chaque depuis dix ans chaque fois bu élection jubee rek ñu manipuler conscience gars yi teg affaire góor jigéen ci kanam jaay sa bopp bi ci ci mbedd mi moo ëpp tey doole que euh, kii bi ger gi sos bi te xam nañ li ñu wax ci affaire ger ak sos ci ci ci ci ci mbirum lis l'islam ak diine yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Euh,